le forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers les réseaux des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Berningaure, Chirozirine, Magaria, Menesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Notre page Facebook, Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. L'insécurité, c'est le quotidien des populations de la région de Tilabiri. Depuis février dernier, en effet, les attaques des bandits armés sont devenues fréquentes le long des frontières avec le Burkina Faso et le Mali. La dernière attaque remonte au soir du 30 mai dernier dans la ville d'Abala. Les assaillants venus du Mali ont tué quatre gardes nationaux et deux gendarmes avant de s'enfuir avec du matériel et des véhicules. Moins d'une semaine plus tôt, le 25 mai, dans la même commune d'Abala, c'est un poste de gendarmerie du marché de Tinkili qui a été attaqué pas de pertes en vue humaine, mais du matériel a été emporté. Le 27 mai dernier, vers le nord, à Bankilaré, c'est le poste de police de Petelkolé, à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso qui a été attaqué. Bilan officiel, trois morts, dont deux policiers et et trois autres policiers blessés. Le bureau du commissaire où étaient stockées les armes a été incendié et plusieurs armes emportées par les assaillants qui ont aussi endommagé cinq véhicules dont un de la police et trois appartenant à des policiers. En mars dernier, dans le même département de Bankilare, c'est un détachement de la gendarmerie de Wanzarbe qui a subi les foudres d'autres assaillants non identifiés, bilan six gendarmes tués et un autre blessé. D'autres attaques ou raptes de moindre importance sont fréquemment signalées sans qu'on sache les vrais auteurs. Le forum d'aujourd'hui revient sur cette recrudescence de l'insécurité dans cette partie du pays qui est pourtant sous état d'urgence. Quelles sont les raisons de cette montée de l'insécurité qui sont ces bandits armés qui ont le même mode opératoire D'où viennent-ils Qui les arme ou les forme Pourquoi nos forces de défense et de sécurité peinent à les anéantir Comment eux arrivent à surprendre chaque fois nos FDS et s'enfuir rapidement dans la nature Surtout qu'à côté de nos FDS, il y a même des armées étrangères qui disent nous aider. La France, par exemple, dispose de 80 soldats dans la zone. Nous n'oublions pas non plus les forces mixtes du Liptako, constituées du Niger, du Mali et du Burkina Faso. En principe, tout est là pour garantir la sécurité et la paix dans cette zone, mais vraiment ça coince. La recrudescence de l'insécurité dans la région de Tilaberi, pour en parler, nous avons invité des personnes bien indiquées. À ma droite, M. Soule Oumarou, acteur de la société civile. Bonsoir merci, et merci d'être venu. À ma gauche, euh, Boubacar Diallo, président du Conseil des éleveurs Nord Tilaberi. Boubacar, merci d'être venu. Bonjour. Merci, bonjour. Et il y a aussi Mahmoud Al-Mahmoud, qui est euh, représentante de Timidria dans la zone de Banquilare. Merci Mahmoud. Merci aussi. Avant de commencer, je dirais que le forum du studio, c'est un échange un débat dans le respect de l'autre. Nous allons donc au mieux que nous pouvons euh, nous inscrire dans cette ligne, donc en respectant les uns les autres. Euh, je disais dans mon introduction qu'il y a eu plus d'une dizaine de morts parmi les forces de défense et de sécurité. Euh, monsieur Boubacar Diallo, vous qui connaissez très bien la zone, euh, la zone est vraiment en insécurité. 10 morts parmi les FDS. Effectivement, comme euh, vous l'avez si bien dit, et aujourd'hui je crois que euh, la situation dans le nord du Labéry est très, très, très critique. Je ne suis pas un étranger dans de, de, studio Kalangou. Et on ne va pas encore revenir sur l'historique de tout ce qui s'est passé. Et on pense que peut-être on va, on va essayer de se canaliser sur la situation, l'actualité actuelle. Et moi, je pense que euh, la situation, elle est très, très grave. Hein. Elle est très, très grave parce que quand chaque jour que Dieu fait des attaques, c'est des vies humaines, c'est des compatriotes qu'on est en train de perdre. Je crois qu'il y a matière à réflexion et il y a de quoi vraiment à se poser des questions. Pourquoi les raisons de ces échecs euh, sur le terrain Moi, je pense que, euh, en, en, tant qu'acteur, parce que ça me fait 17 ans ou 18 ans que je suis sur ce dossier, et 18 ans, n'est pas 18 jours, 18, 18, semaines ou 18 mois. C'est toute une histoire quand même. Et je pense que je fais partie de vraiment des vrais acteurs de cette zone qui ont suivi tout le périspécie de cette situation de Machin jusqu'à aujourd'hui. malheureusement, malheureusement, eh, c'est qu'il faut se dire c'est que euh, le problème, c'est d'abord le, manque de dialogue. Mm, on viendra sur ces ah, aspects. Euh, nous retenons avec vous que la situation est très grave. Elle est très grave, elle est très critique. Euh, Mahmoud, vous aussi, vous allez dire que la situation est très grave Oui, effectivement, la situation est très grave. Parce que, compte tenu de ce qui se passe chaque jour, des attaques barbares, j'allais dire, parce que ceux qui viennent, ils les font sans justifier, sans demander quoi que ce soit. Ils tuent et ils s'en vont personne n'a su où est la direction qu'ils ont pris. Ou souvent, on nous dit tout simplement, bon, ils ont tiré s'ils sont venus sur des motards, mais personne ne sait exactement où est-ce qu'ils ont dû passer ou bien comment est-ce qu'ils ont pu rentrer jusqu'à arriver au poste de gendarme ou bien de force de l'ordre. On va essayer de décrypter tout cela. Hmm. Euh, le temps de donner la parole à Soleil, qui lui est beaucoup plus présent à Niamey. Vous vous suivez un peu de loin l'actualité, euh, la situation dans cette région. Oui, merci beaucoup. Effectivement, nous suivons la situation, euh, comme vous le dites, de Niamey un peu loin, mais nous la euh, de plus près parce que c'est nos frères qui sont tués le plus souvent. Donc nous sommes en contact permanent, que ce soit avec des forces de sécurité en poste là-bas, comme avec les populations. Nous avons aussi des représentations. Donc je pense bien qu'ils ils ont dit. Ils ont dit que le problème est grave. Moi, je dis qu'il est encore plus grave et très grave. Euh, parce que Parce que, effectivement, c'est un problème. Il a parlé tout à l'heure de digital, il n'a pas voulu rentrer dans l'historique, mm. mais je pense bien que l'insécurité au, nord de la quand même, elle a fait des racines depuis une, plus d'une décennie. Et c'est là, je dis que c'est grave parce qu'on a l'impression que ces problèmes n'est pas plus en bras le corps. C'est un problème auquel on ne sent pas une certaine euh, frénésie de nos dirigeants, notamment, à, bien, régler. parce qu'il y parce qu'un problème qui dure 20 ans, et sans qu'il soit solutionné, je pense bien qu'il y a quelque part euh, une mauvaise volonté. Et, ma foi, le problème s'aggrave encore, parce qu'au début, on a parlé d'insécurité résiduelle, il y a des gens qui viennent, qui pillent, qui volent des bétails, mais aujourd'hui, ils s'en prennent à des forces de défense et de sécurité. Et ce qui rend, comme je l'ai dit, davantage encore plus grand, c'est que non seulement on a une base militaire à Tilaberi, on a des forces françaises qui sont hmm. stationnées à Tilaberi. Nous allons aborder ces aspects. Voilà. Euh, <laughs> Mahmoud, vous, vous êtes de la zone de Bankilari, qui est fréquemment attaquée. À l'état actuel, quelle est la situation C'est Les gens ont peur, les gens n'ont pas peur. Comment euh, ils abordent cette situation À l'état actuel, la situation est très critique parce que les gens qui viennent attaquer, ils passent dans des villages et des hameaux avant d'arriver. Mais le problème que les gens rencontrent, c'est quoi C'est que même ceux qui les ont vus n'osent pas dire qu'ils les ont vus. Parce que tout simplement, en les ça, ils ont peur de, soit de quelques représailles, parce que dans tous les cas, ce ne sont pas des étrangers. Ce ne sont pas des étrangers. Alors, je pose la question qui sont ces gens Oui, on dit c'est des bandits. On dit c'est des bandits, mais nous, qui sommes sur le terrain, nous disons que ce ne sont pas des étrangers, ce sont nos parents, qui certains d'entre nous passent leur temps chez nous, eux après ils vont au Mali, parce que c'est le seul endroit où ils peuvent attaquer. Quand ils attaquent au sein du Niger, ils se réfugient là-bas, mais ils viennent quand même en tant que visiteurs. Ils passent des journées, c'est des gens que nous connaissons déjà. Qui sont avec la population. Oui, qui sont avec la population, parce que ceux qui les renseignent sont là. C'est ce qui fait que quand ils attaquent, ils s'enfuient et on les cherche partout, ils se volatilisent parce qu'ils sont là, chez eux. Boubacar, c'est votre avis aussi. C'est des gens qui sont avec, avec les populations, qui vivent avec les populations. vous savez, et du coup, eh, c'est facile d'attaquer. En, matière de, sécurité, quand vous voyez les arts de situation, eh, c'est tout à fait normal. Hein. et on ne peut pas dire que c'est des étrangers parce que quand, pour prendre aujourd'hui Studio Kalangou, je ne suis pas du milieu, il est difficile pour moi de savoir les comportements de votre boîte. C'est-à-dire que quand vous voyez des arts d'action, c'est que sûr, c'est toujours avec des autochtones que les gens arrivent à faire leur action. Quand tu es du, tiroir, tu n'as pas besoin que quelqu'un te renseigne. Et je crois que tu n'as pas besoin d'avoir des renseignements. Tu es du tiroir, tu es né, grandi dans la zone et tu connais bien la zone, tu connais comment les choses évoluent, donc tu n'as pas besoin de quelqu'un pour le faire. C'est que sûr, on sait que tout ce problème se situe au Mali. Vous avez des groupes, les multitudes de groupes armés qui sont au Mali, les groupes qui sont les, rebelles, et les, les ceux qui sont avec le gouvernement et les groupes jadis, tous ces groupes-là sont là, ils opèrent en territoire malien. Et on fait frontière avec le Mali, c'est les mêmes familles les, ceux qui, sont, qui ont pris les armes de l'autre côté, c'est les mêmes familles, qui, ils ont leurs leur familles qui sont en territoire nigérien. Donc c'est vrai que la plupart des jeunes se, sont partis se, se, dans ces groupes. Bon, évidemment, un jour ou l'autre, chacun va essayer de dire je vais revenir chez moi, je vais revenir chez moi. Donc en revenant, c'est ce qui fait que vous voyez toutes ces actions qui se font, c'est que c'est avec des autochtones, effectivement, que les actions se font. Il ne faut pas se le cacher. Ce pas des étrangers, ne sont pas des gens qui ne sont pas connus évidemment, quand tu vois sur un terrain, sur, sur une zone, on attaque, c'est que c'est les, les, natifs de cette zone qui ont attaqué, qui sont accompagnés par sûrement avec d'autres éléments qui attaquent et qui facilement arrivent à, déjouer les actions des, forces de sécurité. Euh, euh, est-ce que vous êtes surpris de l'analyse de Boubacar Non, non, je ne suis pas surpris que ce soit l'analyse de Boubacar et de, Mahmoud. Je pense d'ailleurs les deux se rejoignent et je crois bien que j'ai suivi euh, une intervention euh, du, maire de Banclaré. Je pense qu'il disait en substance la même chose, parce qu'il disait que euh, il revient à la population de dénoncer parce que ceux qui agissent ne sont pas loin et que ce sont des gens qui connaissent visiblement la disposition et l'état d'esprit dans lequel les forces n'est-ce pas, de sécurité sont avant de les attaquer. Donc, c'est pour dire que tout le monde est unanime que ceux qui agissent, n'est-ce pas, donc, euh, sont des acteurs qui sont sur le terrain. soit ils sont en complicité avec ceux qui agissent ou c'est eux-mêmes qui agissent sur le terrain. Donc parce qu'ils ont une maîtrise parfaite, n'est-ce pas donc euh, le terrain, ils, font des actions de façon euh, synergique et ils réussissent parce que les gens viennent à moto, ils attaquent des forces de sécurité et ils disparaissent à moto c'est extrêmement impossible, même si on parle d'une de, de, zone désertique. Aujourd'hui, en moto, vous ne pouvez pas, à euh, l'espace de 24 heures, échapper quand même à, des Toyota, Land Cruiser et autres. Donc, je pense bien qu'il y a une complicité et le maire lui-même que qu'il y a la peur chez la population de dénoncer parce que on connaît tout le monde, c'est au village, chacun connaît chacun. Ben, celui qui dénonce est susceptible d'être connu. Soit il n'est pas dans ce réseau mafieux ou dans cette, ces familles qui opèrent, ou il est mécontent, ou il est frustré, c'est à ce moment il va dénoncer. Donc ceux qui, sont ceux qui vont dénoncer sont susceptibles d'être connus et susceptibles de représailles. Donc je pense bien que c'est une situation. Et d'ailleurs, ce qui pourrait surprendre, c'est euh, la durée la durée de ces actes d'insécurité, on a l'impression que euh, le gouvernement est, en tout cas incapable de trouver des solutions, ce qui prouve que c'est un mal qui est difficilement éradicable parce qu'il trouve sa racine effectivement, euh, comme on dit, euh, localement. Mahmoud, ceux qui, ceux qui font les attaques sont susceptibles d'être connus. Je reprends la phrase de Soleil. Ces gens qui, font les attaques, qui sont connues Est-ce que vous pouvez donner une description de, ces gens c'est, des jeunes, c'est des vieux Ils sont de quelle catégorie C'est des, jeunes. c'est des jeunes. Ceux qui font ces attaques-là sont des jeunes. Des jeunes qui pensent que, d'après ce qu'on entend chaque jour, certains d'entre nous, mais d'ailleurs, le disent, que à Gadez et à Tawa, il y a eu des recrutement. C'est parce que les gens ont pris des armes. Donc le seul moyen pour que les gens trouvent du travail, c'est eux aussi de prendre des armes. Et c'est ça qui amène que certains ont décidé de, de Certains ont décidé de prendre eux aussi des armes, mais ils ne le font pas comme à l'image de ces d'Agadez ou Tawa, qui l'ont fait visiblement devant tout le monde, non, et aussi de tous, non. Et ils viennent pour le moment parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Certains ont encore la peur d'y aller. Donc, pour eux, il faut nécessairement les faire et montrer mmh. qu'on peut réussir pour que les autres y adhèrent. Euh, dans le cas de DIFA, oui. Vous parlez de recrutement. de recrutement, parce que toutes les rébellions, parce que ça, là, ce que nous voyons à Tilaberi aujourd'hui, là, surtout à Bentilari, c'est une sorte de rébellion cachée. Les gens ont peur de le dire, mais il faut, que, faut le voir ainsi. C'est une sorte de rébellion cachée. De la part d'une partie de la population. De la part d'une partie de la population qui ne travaille pas et qui ne sait pas comment, pour elle, elle ne sait pas comment chercher du travail, sauf utiliser des armes. Or, un travail obtenu avec les armes, je crois qu'elle ne durera pas. Peut-être euh, Boubacar va beaucoup plus expliquer vers la partie euh, nord encore, plus au nord. Bon, vers euh, c'est la même situation qui se présente. C'est des jeunes désœuvrés, c'est. Ce que je sais, et je crois que j'ai l'habitude de le dire ici, nous on sait que la zone, il y avait avant des problèmes intercommunautaires entre des groupes armés, des milices d'autodéfense qui se faisait la guerre entre les Peuls et les Touaregs. C'était la, la, question que nous, nous avons gérée pendant tout ce temps. En 2011, nous avons désarmé des jeunes en présence du Premier ministre. C'était le 10 octobre 2011. Ces jeunes qui ont été désarmés, il y a eu des engagements, certes, où c'était euh, prévu qu'ils allaient les prendre en tout cas euh, en compte et essayer de, les insérer dans la vie active. Donc après le désarmement, nous on était rentrés à Niamey, tout le monde est rentré, le Premier ministre, mais les engagements n'ont jamais été en tout cas respectés. En 2012, la plupart des jeunes qu'on avait désarmés sont partis rejoindre les groupes, les groupes armés. D'autres dans les groupes d'autodéfense au Mali, avec le Gandaïs et autres, et une grande partie est partie rejoindre le Moujaou qui a été créé par les Arabes nigériens et Arabes. Donc c'était comme ça que nous, la plupart des jeunes sont partis rejoindre les groupes armés. La majorité de ces jeunes sont partis rejoindre le groupe. Ce n'était pas une chose qui est cachée. Maintenant, c'est des rébellions ou pas, moi je ne peux pas m'avancer sur ce terrain. Maintenant, toutes les actions qui sont menées, on sait que c'est au nom des groupes des jadis, qui sont en train de le faire. Donc nous, on considère que c'est des terroristes qui sont en train d'attaquer le territoire nigérien jusqu'à preuve de contraire. Parce qu'il n'y a aucune déclaration officielle qui prouve que c'est des groupes armés, c'est une rébellion en gestation. Du, côté, comté, en tout cas, du, du nord Tilaberi, par là, et dans la zone de, de Parce que si on fait France, à Bankiller, vous avez un groupe djihadiste euh, qui a Ansar Islam qui a été créé au, dans la région de Djibo par Mal Ibrahim. ce qui fait que toutes ces actions qui se font, ils font la conjonction du côté du, ils sont sur la frontière entre le Mali et le Burkina. Donc c'est toujours les mêmes mm-hmm. familles, comme je l'ai dit au départ. En tout cas, c'est nous, en tout cas moi, dans, mes euh, réflexions, c'est au Burkina. C'est au Djibo, c'est au Burkina. Donc nous, nos réflexions et l'analyse qu'on est en train de faire du terrain, vraiment, c'est des terroristes qui sont en train d'attaquer le territoire nigérien jusqu'à preuve de contraire. Si demain il faut une déclaration pour dire qu'ils sont des rebelles, on le questionne. Mais pour le moment, c'est des, terroristes qui sont en train de euh, votre attaquer. donc, au euh, Soleil, terroristes. Euh, rébellion en gestation, vous vous trouvez dans quel. Euh, vous êtes au milieu Oui. Qu'est-ce que quelqu'un peut oui, euh, donner à ces gens qui attaquent chaque jour Je serais d'avis avec Diallo que, ma foi, pour l'instant, puisqu'on ne peut pas. On ne saurait parler à leur nom. si c'est une rébellion, ils sont assez matures pour sortir de façon ouverte, donc affirmer leur intention. Mais je pense bien que Peut-être il y a ceux qui sont en rébellion, mais qui ne se sont pas déclarés ou qui n'ont pas aujourd'hui, à ce stade, les moyens de s'affirmer comme tels. L'autre élément qui est le plus sûr, c'est que, on le sait, il y a des forces terroristes qui sont en train d'agir et qui ont besoin des fois de venir sur ces espaces, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, soit euh, pour se ravitailler, soit pour s'affirmer à travers des actions qu'on le voit s'attaquer à des postes ou même deux fois pour peut-être essayer d'avoir des moyens logistiques parce qu'on se rend compte que dans certains cas, ils s'enfuient avec des véhicules. Donc je pense bien que les deux cas de figure existent, puisque lui-même Diallo signifie qu'il y a des jeunes qui ont accepté de déposer des armes, qui n'ont pas été satisfaits et qui ont décidé de regagner de rejoindre d'autres forces. Donc de reprendre le, combat, cette fois-ci avec la complicité d'autres forces étrangères. C'est là où il condamne ça et c'est là aussi où je suis d'accord avec lui. Lorsque vous conjuguez vos efforts avec des forces terroristes, attaquer votre pays, je pense bien que cela est intolérable, cela est impardonnable. Euh, il y a des moyens encore beaucoup plus démocratiques. Il aurait fallu peut-être que, que ces gens-là aient une section euh, je dirais, un front peut-être plus démocratique qui est basé à Niamey, qui va de temps en temps justement essayer de faire aboutir ces revendications à travers les engagements que le Premier ministre, qui est encore là, a pris. Mais ils ont préféré juste donc rejoindre euh, les forces terroristes. Je pense bien que euh, cela est condamnable. Mais nous estimons que il y a ces deux hypothèses qu'il y ait des jeunes qui sont en rébellion contre leur État, il y en a d'autres qui, agissent avec les, terroristes. en complicité avec des terroristes. Euh, Mahmoud, vous qui êtes à et qui parlez de, rébellion en gestation, euh, ça veut dire que vous avez la possibilité de discuter. Vous êtes un acteur de la société civile avec ces, jeunes. Qu'est-ce qu'ils disent concrètement Est-ce que c'est le désœuvrement Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui les guident Ce qu'ils disent, ce qu'on entend chaque jour, je dis, ne les amène pas à utiliser les armes parce qu'on en a vu certains d'entre eux pendant le recrutement suite à la rébellion d'Agadez et d'Etawa. Certains d'entre eux ont été recrutés, bien que cela n'a pas concerné Tilaberi. Mais finalement, ils ont abandonné. Même l'armée, là où on les a mis, ils l'ont abandonné pour encore aller. Parce que tout simplement, c'est des gens qui sont habitués à la facilité. Ce n'est pas en réalité le désœuvrement seulement qui les amène dans ces activités-là. C'est des gens qui sont habitués à la facilité et qu'aujourd'hui, le seul moyen pour eux d'atteindre cette facilité-là, c'est d'utiliser les armes, faire peur aux gens et prendre leurs biens. Pour le moment, ils ne sont pas arrivés là où ils vont prendre le bien déjà, Parce que pour le moment, il y a encore des forces de sécurité dans certains endroits. Il faut, les, il faut pouvoir les évacuer carrément. À cet temps-là, ils vont revenir à la population pour les rançonner. Il y a Bankilari qui a attaqué aussi Abala. Nous avons parlé de la commune d'Abala, c'est la dernière attaque d'ailleurs. Et là, je vous propose de suivre le témoignage du maire d'Abala sur la situation actuelle de cette commune en matière de sécurité. La situation sécuritaire dans ma commune n'était pas critique avant l'attaque du 31 là. Nous n'avons pas, en tout cas, une situation, une, insécurité aussi et que les gens le pensent. Nous, ceux que nous connaissons dans les temps avant cette attaque, comme je le disais, c'était vraiment le banditisme. C'était les jeunes désœuvrés qui sont en train de faire les vols à main armée, les vols des VT, etc. En tout cas, c'est ça la situation que nous avons connue bien avant ces derniers temps-là. Et ça, là aussi, nous avons pu et, quand même euh, régler ça en organisant un forum de toutes les communautés qui renferment la commune. Ce forum-là, au cours duquel, euh, en tout cas, on a tenu les quatre vérités, on l'appelle même forum des vérités. Et au sortie du forum, nous avons mis un comité de paix. Le comité-là a amené la calme au niveau de notre commune. Il y a eu des caravanes de sensibilisation dans les villages. Donc, et ce comité-là s'est réunit régulièrement. En tout cas, on a pu quand même mettre fin au vol à main armée et au vol de bétail. Qui sont ces gens qui viennent, euh, qui, qui viennent vous attaquer En tout cas, les sont venus nous attaquer selon en tout cas leur, euh, euh, euh, la langue qu'ils parlaient. Nous avons entendu en tout cas qu'ils parlent le peul et l'arabe. Et, et, Mais ils n'ont pas été formellement identifiés Ils n'ont pas été formellement identifiés parce que comme ils ont un peu, ils contrôlent un peu de la situation, donc même les gens qui étaient été parmi les assaillants, ils ont pu quand même les ramasser et les amener avec eux, comme ils ont pris même des véhicules qui a fait qu'on n'a pas pu les identifier. Et nous avons des informations, nous avons quelques sources d'informations comme quoi il y a eu complicité au niveau même de, de notre population. Quand ah. de complicité, l'enquête est en cours. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire c'est X ou bien c'est Y. Aujourd'hui, le calme est revenu tout le monde va à ses occupations. Les motifs sont ouverts, donc euh, en tout cas, tout le monde va à ses occupations. La situation est maîtrisée, en tout cas, on a eu même des renforts qui sont là, en tout cas pour évoquer euh, encore le moral de la population. donc euh, nous pensons qu'en tout cas, au vu du dispositif que nous avons aujourd'hui, en tout cas, on pense qu'il ne sera pas attaqué encore. Euh, nous venons de suivre le maire d'Abala, Abala qui a été attaqué le 30 mai dernier avec euh, au bout au moins six morts. Boubacar, vous venez de suivre le maire, il accuse un certain nombre de groupes, euh, il parle de jeunes désœuvrés, un peu comme Mahmoud. C'est presque la même analyse peut-être. Vous savez, on parle des, jeunes désœuvrés. En matière d'insécurité, quand vous avez une insécurité le long de votre frontière, de l'autre côté, eh, des les jeunes, c'est vrai, ils ne font rien. de tout temps, la zone, c'est une zone, c'est une zone pastorale où vous avez des éleveurs. C'est vrai qu'il n'y a pas d'école, il n'y a rien comme infrastructure de base. Ça, de tout temps, depuis la nuit des temps, le nord de la c'était comme ça. Mais eh, la plupart des jeunes, c'est des jeunes qui ne sont pas pauvres. Parce qu'ils ont, ils ont une richesse parce qu'ils ont leur bétail. En tout cas, c'est que sûr, eh, il ne faut pas se le cacher. Des jeunes, c'est des jeunes, ils, ont, ils sont riches parce qu'ils ont leur bétail. Ce n'est pas une zone pauvre. Les gens ne sont pas pauvres en tant que tels parce que c'est des éleveurs. En tout cas, les éleveurs ne sont pas parce qu'ils ont des animaux. Mais peut-être ce qui manquait, c'est que c'est la formation de ces jeunes. Et aussi le fait que la situation au Mali, tant que le Mali n'est pas en paix, vous ne serez jamais en paix. Le Niger ne sera jamais en paix. De tout en c'est le problème. C'est à partir de là qu'il faut euh, essayer d'y aller. Mais maintenant, est-ce que le cadre d'élevage là est en train d'être conçu Est-ce que l'État est en train de, s'y mettre pour que l'élevage soit quelque chose de rentable C'est là où l'État échoue. Ça rejoint la question du développement. Oui, ça rejoint la question du développement. Parce Quand vous avez des gens qui disent non, on n'a pas. Parce que même quand, en, termes, quand il y a la famine haute, je vous assure que vous avez trouvé des éleveurs qui vendent leurs animaux pour venir payer le sac de riz. Ils n'ont pas besoin de, comment on appelle ça, de l'aide alimentaire qu'on leur amène. Nous, on ne on connaît pas ça dans le nord de la De tout temps, les animaux que vous avez, vous les vendez, vous mangez à votre faim. Donc ce qui avait manqué, c'est les, infrastructures accompagner ce, cadre de, travail que les gens ont, qui est l'élevage, les, infrastructures de base, les, forages et autres, c'est ce qui a manqué. Bon, par rapport, pour revenir à la vraie raison, le maire a parlé du forum. C'est toujours la mentalité des Nigériens. On veut chercher, on veut gagner de l'argent. Forum, forum. C'est quoi le forum Vous faites un forum, vous ramenez tout. Ce pas les vrais acteurs que vous amenez le jour du forum. La situation est là. D'accord. <laughs> bon, euh, euh, je comprends, la question du développement, l'insécurité au Mali, et voilà, ce sont les principaux ingrédients. Oui, vous avez écouté en fait euh, le maire, quand vous écoutez les maires, vous écoutez les, autorités, je pense bien qu'on entend un peu le plus souvent le même langage. on a tendance à minimiser le problème. Il y a des jeunes désœuvrés qui agissent mais il n'y a pas que le désœuvrement, il y a des jeunes désœuvrés à Niamey qui ne se lancent pas dans la sécurité. Donc il faut euh, faire face aux réalités. En plus, l'autre d'ailleurs signifie qu'ils ne sont pas désœuvrés parce que ce sont des agriculteurs. Euh, oui, ils ne sont pas désœuvrés parce qu'ils ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas de diplôme qui sont qualifiés, qu'il leur faut un travail pour. Ils ne sont pas. Donc, on ne peut pas parler de désœuvrement, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Donc, comme on dit, il faut appeler chacha. Il y a une question de développement qui est là. Vous avez, on a des régions. À un moment, c'était Aradez qui a fait du bruit, puis Difa, puis Tawa. Mais, mais Tilabéi aussi, c'est une zone d'abord désertique. Vous avez des populations qui sont abandonnées à eux-mêmes. Il n'y a pas d'infrastructure. La seule présence des autorités, c'est les forces de défense et de sécurité. Donc, les jeunes, sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de formation, il n'y a pas de centre, etc., euh, etc. Ce qui fait que les jeunes grandissent dans ce système, euh, n'est-ce pas, de, la brousse, euh, dans ce système de délinquance, de plus de hashish, etc. Et de l'insécurité, ils prennent goût aux armes et à tout un chacun, parce que vous êtes dans la brousse, tout un chacun aspire à avoir son arme. Et c'est là fait en sorte qu'ils prennent goût au tir, ils prennent goût à attaquer, ils sont à voler, hein. etc. Donc, finalement, c'est l'engrenage. Et je pense bien que c'est cette réalité des choses que malgré les situations économiques, malgré justement les contingences qu'on connaît du point de vue économique, nos gouvernants doivent faire face doivent regarder la réalité en face. Il n'y a pas que le développement seulement, il y a aussi la question de développement de la région, particulièrement de Tilaberi, mmh. qu'il faut envisagé. Euh, peut-être une illustration avec Bankilari, Mahmoud, la question du développement la question du développement, en tout cas au niveau des Bankilari, le Bankilari est comme euh, tout le nord Tilabiri. Si je reviens chez, moi-même, pour qu'une école s'installe, il a fallu que moi, mon papa a fait la prison de trois mois pour qu'une école s'installe chez moi. Et moi, ni t'étais que j'étais à l'université, j'allais être enfermé aussi. Parce que tout simplement, j'ai fait, j'ai fait une demande pour qu'une école soit amenée chez moi. Et tout ça, une simple école. Ah oui, et une simple école primaire. Parce que moi, je dirais, parce que le développement, ça passe par l'éducation aussi. Si pour, pour amener une, une, création dans un village, il faut faire vraiment des tapages, il faut empêcher, il ne faut pas que l'école s'installe parce que il y a des gens qui font tout pour qu'il n'y ait pas ce développement-là, pour qu'il n'y ait pas ce développement des mentalités d'abord. Parce que si on refuse une école, ça veut dire qu'on refuse le développement. Donc, l'école a pu être installée. Aujourd'hui, mais voilà, devant au, niveau des, au niveau des studios Kalangu, je suis en train de parler des réalités de chez moi. Et il y a toujours des gens qui sont contre ça, contre ces genres d'informations qui viennent de la source. Parce que Diallo parlait tout à l'heure des forums dans la région de Tilabiri. Nous, chez nous, à Bantilare, quand Medria, qui est une association qui est été chargée de, sensibiliser les gens. Elle a voulu tenir ces réunions là-bas. On l'a interdit à deux reprises. On a interdit à ce que Temodria puisse s'installer. Et la première fois, le juge, le procureur de Tilaberi a été, euh, a été euh, convié. Il y a le président des tribunal de Tilaberi et de Terra. C'est eux les conférenciers. Mais malgré tout, la réunion a été refusée pour que les gens puissent être sensibilisés. C'est comme si on refuse le développement, vous voulez oh, dire oh, Oui, on refuse le développement parce que tout simplement, il y a des gens qui sont là. Il parlait tout à l'heure des éleveurs. les gens, ils ne sont pas désœuvrés. Mais il y a ceux qui ne font rien, qui sont là et qui veulent toujours continuer à manger sur le dos de ceux-là qui travaillent. Et ce n'est pas possible. Aboubacar, cette autre question, c'est la vulnérabilité de nos forces de défense et de sécurité. Chaque fois, elles sont attaquées et puis tuées. Pourquoi nos FDS sont aussi vulnérables en fait, c'est toute une histoire. Hein, et c'est le problème de nos forces de défense et de sécurité. Parce qu'on dit c'est la grande muette, les gens ne veulent pas parler. Moi, je pense que nous sommes tous Nigériens. Ils sont issus de la société. Il faut qu'on en parle. On ne peut pas quand même continuer à accepter. Parce que si on revient un peu les, revers de notre armée, c'est depuis l'attaque de Agadez Arlit, où il y a eu une 22 éléments qui ont été tués, mais les gens, on a une courte mémoire, et puis les gens oublient facilement. Au fait, le Nord Tilaberi, de tout temps, quand il y avait cette insécurité résiduelle avec le conflit intercommunautaire, quand vous informez les forces de sécurité, vous dites que non, non, ce n'est pas notre hmm. travail. Quand vous ah, informez l'armée, ben, on dit non, non, c'est la gendarmerie ou la garde qui doit faire la poursuite. c'est en 2013. Ça, c'est hein? en 2013 quand il y a eu le truc. Oui, mais les choses ont évolué après. non, vous voyez, c'est depuis tant il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas, vous ne pouvez pas continuer, on ne peut pas me dire que dans une armée, quand il n'y a pas, il y a, il il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de relève. Quand quelque chose ne va pas, je crois que quand au niveau de votre société, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut changer. Mais aujourd'hui, on a le même groupe qui est là depuis 2011 qui continue à gérer la, hiérarchie militaire. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un. deux, par rapport à la question, quelle que soit votre force de frappe, tant que vous ne maîtrisez pas le renseignement, tout est voué à l'échec. Aujourd'hui, on dit c'est le problème. Les FDS ne collaborent pas non, avec les pas du tout. Pas du tout. On l'a toujours dit ici. Il n'y a pas de confiance entre l'administration et les forces de sécurité et la population. Ça, je vous le dis et je pèse mes mots. Quand tu, es préfet, tu vas là-bas, tu es parti pour t'enrichir, tu, tu n'as rien à foutre avec la population. Combien de, <laughs> préfets ou sous-préfets font les tours dans, les, villages pour savoir, mais ils ont combien de villages dans son entité administrative La force, quand vous venez, vous, vous barricadez dans votre zone, vous n'avez rien à foutre avec la population. Quand on vous informe, vous, c'est comme si vous, ça vous dit absolument rien. Et l'ennemi est là à côté de toi, il te voit, il t'écoute. Il y a un manque de contact entre les FDS et les populations, c'est une des questions. C'est pourquoi elles sont beaucoup plus vulnérables. Oui, je pense bien qu'il faut qu'on arrête de, faire des échanges à Niamey, de faire des, investissements qu'on voit. il faut, il faut, il faut, il faut qu'on se sécurise parce que si on abandonne nos régions, on abandonne nos jeunesses des régions, mais ils vont s'armer, ils vont se revenir contre nous. Donc je pense bien que euh, nous avons des, pays, comme on dit, des pays-villes, où tout se concentre à la capitale, on fait tout, alors qu'il y a des investissements de survie. Il, faut il y a la question des moyens, des oui, FDS. on ne peut pas parler de question des moyens lorsqu'on choisit entre faire un puits dans un village on préfère ne pas faire un puits dans un village et venir faire des investissements de route dans la capitale. Donc je pense bien que il faudrait, à travers même la rareté de ces ressources et leur insuffisance, faire des choix judiciaires et faire des investissements conséquents. Ça, c'est les solutions, on va y revenir. Bien sûr. Mais la vulnérabilité des FDS. La vulnérabilité, il l'a dit, elle se justifie. C'est l'information. Les gens qui attaquent sont informés à l'instant où vont attaquer, ils savent que nos forces de, sécurité ou de défense sont en train de piller, sont en train de manger ou sont en train euh, d'écouter de la musique ou ont leurs oreilles bouchées par des écouteurs euh, ils sont sur, WhatsApp et autres. Donc, il ils sont informés et le fait qu'ils sont informés, il va falloir, ce n'est pas surprenant euh, qu'ils surprennent nos forces de défense de, de sécurité. L'autre aspect, c'est que, comme vous le dites et comme il l'a souligné aussi, euh, il n'y a pas un don de soi. Je m'excuse de le dire, ça va frustrer euh, beaucoup les forces de défense et de sécurité. Le plus souvent, vous les voyez à Niamey, vous avez l'impression qu'ils sont là pour eux-mêmes. Ils sont là pour se faire de l'argent. L'argent qui vient pour assurer la sécurité à Niamey. Au lieu de surveiller les véhicules suspects qui passent, non, ils surveillent les véhicules qui sont peut-être en infraction ou qui sont suspects pour les rançonner. C'est le même état d'esprit qui continue. Lorsque vous amenez des forces de défense, de sécurité sur un poste, ils sont plus enclins à trouver des situations de subsides qui n'ont qu'à faire à des problèmes de sécurité véritables. Donc je pense bien que cela C'est une analyse sans concession. Tout à fait, tout à fait. Euh, mais Mahmoud, la question de l'information, ça se pose non dans la zone de Bankilari. Le contact, est-ce que c'est une vérité là-bas Effectivement, c'est vraiment une vérité parce que chez nous à Bantilare. La population euh, et les de Oui, chez nous à pour pouvoir aller à la gendarmerie, quand il y a un problème, il faut nécessairement que vous soyez accompagné par un de vos parents. Il faut que ce soit un toilet clair qui vous amène et qui va interpréter ce que vous allez dire entre vous et les gendarmes. Ça, c'est un grand problème. C'est pourquoi nous disons qu'il faut nécessairement que certaines associations de droits de l'homme et autres là, puissent arriver à Bantilari pour sensibiliser les gens. Écoutez, nous sommes tous au même pied d'égalité. Et par exemple, moi, je parle cette langue de ces pays-là et je n'ai pas besoin d'être rouge ou autre chose pour que j'interprète certaines choses. Je peux aller à la gendarmerie directement informer les gens, voilà ce qui se passe. Mais on va me dire non, non, non, il faut aller amener les petits frères du chef du groupe Oma pour qu'ils puissent interpréter ce que je suis en train de dire. Alors que je parle Zarma, on va les faire peut-être en tamashek ou autre chose. Or, ça là, ça crée une sorte de frustration au sein de la population qui fait en sorte qu'il y ait plus de cas pour que les gens puissent arriver à aller directement informer. Parce que je le disais au début de mon, de mon intervention, je disais que les éléments qui viennent attaquer, ils ne sont pas ailleurs, ils sont là avec nous. Ils sont là avec nous parce que ceux qui les voient n'osent pas directement aller soit à la préfecture, ou à la gendarmerie pour pouvoir dire Ah, c'est le fils d'un tel. Ils ne peuvent pas, parce que quand vous partez, vous partez avec un de leurs éléments. C'est leur élément là qui va interpréter soit au préfet ce que vous avez dit ou à la gendarmerie. Boubacar Oui. <laughs> c'est un peu édifiant quand même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette analyse. C'est un des principaux euh, problèmes qui, font que euh, les FDS ne, font pas leur travail, ou du moins sont très vulnérables alors, après la question de la vulnérabilité, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu beaucoup de choses hein, mm. en faveur de ces FDS pour qu'elles fassent leur travail. Oh, Mais la situation s'empire de jour en jour. en tout cas, la, la... La, force principale d'une action, d'une armée, c'est le renseignement. Ça, le renseignement ici, c'est nul. Il ne faut pas se le cacher. Ça, c'est nul parce que. les moyens. Les moyens, sincèrement, il faut remercier, il faut féliciter ce gouvernement, ce régime, ils ont mis les moyens, ils ont créé les conditions. Connaissant l'armée, moi je suis ici de l'armée parce que je suis fils d'un militaire et je suis grandi dans une compagnie. Donc je sais comment l'armée a évolué. Et je sais que vraiment ce régime a fait de son mieux. Ils ont vraiment fait. Mais malheureusement, la situation, elle est là. Parce que quand vous avez une armée qui se comporte comme une armée étrangère sur son propre territoire, parce que c'est le fait de manque de renseignements. Et aujourd'hui, on dit c'est le problème d'une communauté qui est de l'autre côté de la frontière. Tout ce qui ressemble à cette communauté est considéré comme un ennemi que ce soit de l'autre côté, et ceux qui sont dans la capitale. Personne n'est épargné. Vous ne pouvez pas réussir. Et malheureusement, toutes les rébellions que nous avons gérées, nos forces de sécurité se sont comportées de la même façon, et nos autorités même si moi, mon frère peut être de l'autre côté, de la même famille, je ne suis pas d'accord avec lui. Ce n'est pas parce que c'est mon frère que je vais être d'accord avec lui. Ou que de l'autre côté, toi, tu me considères comme, en tout cas, euh, euh, un collaborateur de ce monsieur. Malheureusement, c'est cette mentalité que nous avons au sein de l'administration, au sein de nos forces de défense. C'est ce qui fait leur échec sur le terrain. Il faut qu'ils changent de mentalité. Tout le monde ne peut pas être ennemi de l'État. Il faut qu'ils comprennent cela. Et s'ils arrêtent, je suis convaincu qu'ils vont trouver Deuxièmement, il faut mettre les moyens, il faut approcher la population. Pour convaincre une fille, quand tu viens dans une famille, il faut toujours avoir un allié pour, pour gagner la confiance de la famille. Mais quand tu viens, tout le monde, est, tu, tu, as, seulement la confiance de la fille. Est-ce que tu vas gagner cette fille Non, ce n'est pas possible. Donc c'est le problème. Malheureusement encore, il faudra que la population, parce que les gens disent que non. Ça, les, les, solutions, c'est la dernière partie de notre, euh, euh, de notre discussion. Je vais donner la parole à Soleil qui va, qui va un peu aborder cet aspect-là oh, oh. rapidement. Qu'est-ce qu'il faut euh, Les questions de développement, les questions de, renseignement, les questions de vulnérabilité des FDS, qu'est-ce qu'il faut rapidement En termes de solutions Oui en termes de solutions oh Oui, bon, en termes de solutions, tout à l'heure, euh, j'ai commencé à évoquer, mais vous permettez, il y a quand même un témoignage qui m'a laissé froid tout à l'heure, euh, le témoignage de Mahmoud, euh, par rapport à la situation de Bankilare. J'ai eu l'impression qu'on n'est pas au Niger, vraiment. Il y a des, des situations qu'il faut peut-être chercher à investiguer mais je pense bien que c'est extrêmement grave. Et pour dire, tout à l'heure, euh, j'étais en train de parler euh, des solutions. Ma foi, c'est que euh, Diallo a dit que le gouvernement, il le félicite. Moi, je ne le félicite pas parce qu'il a encore du pain sur la planche. je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tout à l'heure, j'ai parlé des choix d'investissement. Il faudrait que la question du développement soit une question de développement à la base. Lorsque on va choisir dans quelques villes pour faire ces, histoires de cérémonies annuelles, euh, comment ils appellent des fêtes tournantes, où on investit dans, certaines villes, de la République. oui, des, milliards, alors que dans certains villages il n'y a pas de l'eau. Donc je pense bien que c'est des problèmes. Donc il faudrait que nos gouvernements euh, puissent choisir, n'est-ce pas, donc à investir dans les coins le plus reculés. Il faut faire en sorte que l'accès à l'école, que ça soit une réalité. Il faudrait que tous les Nigériens puissent avoir accès à l'école. Il faudrait eh, faire en sorte que dans ces zones où il y a des, sécurités, il faut les prioriser en termes d'accompagnement eh, des, des, infrastructures, de, de, développement des infrastructures, que ce soit l'eau, mm. l'école, la santé, etc. Il faudrait aussi que comme on l'a dit, il faut, au niveau des forces de, défense et de sécurité, il faudrait que les gens puissent s'investir. Il faudrait que la hiérarchie puisse avoir un suivi. Si vous envoyez un agent de sécurité sur le poste, il faudrait savoir cet agent-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Vous avez des agents qui va carrément à d'autres les solutions sont nombreuses. Donc, ils sont nombreuses, c'est vrai, on ne peut pas les étaler, et le temps est court. D'accord, on passe la parole à Mahmoud euh, pour le cas de et de façon concrète. Hein qu'est-ce qu'il faut pour rapidement euh, solutionner, euh, en tout cas dans, cette partie-là, si on peut le faire Arrêter ces, ces, attaques euh, sporadiques Oui, on peut le faire, on peut le faire évidemment, parce que moi je, disais, je dirais tout simplement, si les autorités parviennent à sensibiliser la population, ces attaques-là cesseront, parce qu'ils rentrent, ils passent dans des villages jusqu'à là où ils vont attaquer, ils vont retourner si l'administration accepte à ce que les gens viennent témoigner, voir ce qu'ils ont vu et dire voilà ce qui se passe, sans passer par les chefs ou sans passer par quelqu'un d'autre. Je crois que ça va cesser parce que j'ai dit c'est les jeunes comme nous qui les faisons. Et ces jeunes-là, parce que tout simplement, ils ont des assurances au niveau de la gendarmerie. Que là-bas, tout celui qui peut vous dénoncer ne pourra même pas aller là-bas. Il ne pourra pas aller à la préfecture. Excusez-moi. la question de la sensibilisation des populations. Euh, conclut avec vous rapidement, solution immédiate et à long terme, bien sûr. Moi, je crois que la solution, pas, il a dit développement, il faut d'abord qu'il y ait la paix pour qu'il y ait le développement. Les forums, les symposiums, les ateliers que nos organisations sont en train Mais Il faut être concret. forum, oui, mais non, on a subi, ça n'a pas subi, c'est des histoires. Il <laughs> faut pas un exemple Je suis de la zone, je connais très bien, ça la preuve est là, elle a été attaqué après le forum. Mm. Si quelque chose a été fait, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit réaliste. La situation, elle est là, le mal est au Mali, il faut aller le chercher. Voilà pourquoi nous, on avait pensé qu'il faut, en dehors du, cadre des G5 qui font la guerre, nous, on, pense au dialogue. Parce que ce n'est pas des diables ceux qui sont de l'autre côté. Même si c'est des djihadistes, je crois que si c'est le Coran, on a des marabouts qui, sont, qui peuvent faire face à ces gens-là. Il faut, dans tout, dans tout ce conflit, il faut accepter le dialogue. Même les moudjahidines d'Afghanistan, on est en train de discuter avec eux. Moi, bon sens, je pense que nous, voilà pourquoi on s'est dit qu'on a décidé de créer un cadre d'action dans le Sahel, cadre d'action pour la paix et le dialogue dans le Sahel. et on va faire en sorte vraiment que nous, du côté de la guerre que les gens sont en train de mener, on va créer les conditions pour aller chercher ces gens-là. Ou ceux qui acceptent de revenir, qui les acceptent de rentrer, ils, cessent leur, action contre nos territoires, ou ils ne veulent pas, on, décide ensemble, on, va les combattre. Mais il faut quand même donner, privilégier le dialogue le dialogue, euh, la preuve aujourd'hui avec Boko Haram, qu'est-ce qu'on nous a pas dit sur Boko Haram Aujourd'hui, les gens sont en train de chercher à discuter avec eux. Voilà, donc, hein, en tant que nous, nous souhaitons le dialogue. Et je crois que le dialogue est permis et au Mali, et au Burkina, et au Niger. Voilà. Prenez, le dialogue. Prenez le dialogue. Moi, je suis pour, le dialogue et j'espère que je suis convaincu qu'il il est possible de faire le dialogue. Merci pour cette conclusion. Il faut prôner le dialogue pour arriver à une solution à, cette recrudescence de l'insécurité et puis aussi penser aux questions de développement local. Voilà un peu euh, la substance de, cette discussion qu'on a eue euh, ce matin avec Boubacar Diallo, président du Conseil des éleveurs, nord dans le, des éleveurs dans le nord de Tilabiri, Mahmoud Al-Mahmoud, qui est représentant de Timidouya à Bankilari, et Sule Oumarou, qui est acteur de la société civile. Nous avons parlé de la recrudescence de l'insécurité dans la région de Tilabiri. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.